Par a visite, il donc agi pour le gouverneur de la région de Difa de constater de visu le nouveau visage qu'offre la capitale du manga en cette matinée du lundi. Un nouveau visage né des fortes précipitations arrosées dans la nuit du dimanche, accompagné d'un vent d'une intensité jamais vue. Ainsi, du quartier Dubaï au quartier Ajmeri, en passant par Sabon Carré et Festival, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma a su apprécier de lui-même l'immensité des dégâts matériels et les marques qui ont à désormais pris le contrôle de plusieurs carrefours et artères de la ville de Difa. Il y a eu des murs qui se sont écroulés, il y a eu des maisons entières euh, qui se sont effondrées, il y a eu des flaques d'eau un peu partout dans les principaux quartiers de la ville qui ont même tenu des habitations entières euh, prisonnières. Au regard de l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la région de Difa a beaucoup insisté sur la nécessité des mesures à prendre afin de prévenir toute autre éventualité. C'est des grands travaux qu'il faut, des travaux d'aménagement, des travaux de canalisation pour évacuer les eaux, mais également des travaux de voirie. Dans l'urgence, euh, nous allons rassembler euh, dans une euh, synergie régionale tous les moyens dont dispose la région pour parer au plus urgent. Il s'agit pour nous aujourd'hui de libérer tous ces quartiers, toutes ces habitations qui sont euh, tenues prisonnières en faisant des travaux de canalisation pour évacuer ces eaux. Nous avons besoin d'évacuer ces eaux d'autant plus que euh, nous sommes en hivernage. Ces flaques d'eau peuvent constituer des gîtes larvaires qui vont poser d'autres problèmes, notamment le paludisme. À noter que sur place, des instructions ont été données aux services compétents afin d'évaluer le sinistre, mais aussi et surtout à songer déjà aux actions à entreprendre pour libérer certains quartiers des eaux stagnantes. 208 500 francs CFA, c'est le montant collecté par les populations du village de Congo-Zamaganday au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le village de Kongouzamagandei, dont j'ai la lourde responsabilité, est venu avec un versement partiel de 208 500 francs CFA. Car euh, on ne va jamais oublier quand le village a été victime d'attaques, ils ont lancé des roquettes sur le village. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Immédiatement, les FDS se sont mobilisés pendant un mois afin de traquer ces malfaiteurs, ces gens qui sont contre notre pays. Et ils ont pu mettre la main sur eux. Et pour cela, je remercie très, très, très, très sincèrement notre président et son équipe. je le remercie sincèrement. Le Fonds de solidarité continue de recevoir les contributions de bonne volonté. 87 907 candidats, dont 37 170 filles, vont affronter les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat session 2024. À travers 216 centres d'examen, ils vont compétir dans 39 séries ou filières pour décrocher le précieux diplôme qui représente une porte d'ouverture pour les études supérieures. Cette année, les examens du baccalauréat se déroulent dans un contexte où notre pays est à la reconquête de sa souveraineté. Il est sans nul doute que le développement de notre système éducatif est un pilier de cette souveraineté. Ainsi, je profite pour réitérer l'engagement des plus hautes autorités principalement son Excellence le général de brigade Abourahman chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Mahman Laminzen en faveur du système éducatif. 77 958 candidats ont été enregistrés pour passer les épreuves du bac de l'enseignement secondaire. 1712 vont concourir pour le bac de l'enseignement technique et 8177 vont subir les épreuves du bac de l'enseignement professionnel des élèves qui ont par la volonté ferme des autorités nigériennes et l'engagement des acteurs éducatifs vraisemblablement bénéficié d'une année scolaire calme, favorable à des résultats probants. Pour rendre l'utile à l'agréable, des dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces examens. En effet, nous n'hésiterons pas à appliquer des mesures appropriées contre tout, contrevenant face aux dispositifs mis en place pour rendre propres les examens du baccalauréat. Nous interpellons par conséquent les présidents et membres des jurys, les enseignants correcteurs, les surveillants des salles et les candidats eux-mêmes au respect strict des dispositions qui régissent l'organisation de ces examens. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour encourager les élèves à privilégier le travail et la discipline et à bannir toute pratique malsaine susceptible de poursuite judiciaire. Aux enseignants, je rappelle qu'ils ont un grand rôle à jouer dans ces examens et nous comptons beaucoup sur leur professionnalisme pour une évaluation dans les normes de plusieurs années de travail et d'efforts des candidats. C'est pour cette raison que j'invite les composantes de nos systèmes éducatifs chargés de cette évaluation à mettre en avant le mérite, rien que le mérite. Pour le professeur Mamadou Saïdou, la réussite du baccalauréat 2024 est un grand défi à relever. Évidemment, elle prouvera, si besoin est, la place du système éducatif dans l'édification d'une nation souveraine à même de prendre son destin à main. C'est l'école primaire Djori de qui a été choisie cette année pour le lancement officiel des épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier cycle session 2024. C'est la ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Sherif, en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdouharouna et de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubou Soumana Garantier, qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. En ouvrant l'enveloppe scellée contenant l'épreuve de rédaction, la ministre a tenu à prodiguer des conseils d'usage aux élèves dans toutes les salles dans lesquelles elle est passée. Elle a aussi et surtout remercié tous les partenaires du système éducatif tout en réitérant sa gratitude aux autorités du CNSP sans lesquelles ces examens n'auront pas eu lieu. Une impression de joie et de satisfaction avec euh, une pensée spéciale pour les enseignantes et les enseignants qui ont tenu ces élèves tout au long de l'année et qui, dès qu'ils ont su que le CFEPD est de retour, ils n'ont pas cessé de ménager leurs efforts pour préparer les candidats. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence, le général de brigade, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, d'avoir été attentif aux conclusions du comité de réflexion qui a été mis en place pour examiner la pertinence et l'opportunité de ramener le CFEPD et le CEPEFA pour améliorer la qualité système éducatif nigérien. Au nombre de 403 977 candidats c'est toute l'étendue du territoire national et la région de Niamey compte 43 684 candidats, dont 23 294 filles et 18 déficients visuels des candidats repartis dans 51 centres. Occasion pour la ministre en charge de l'éducation nationale d'aller encourager quelques candidats déficients visuels au niveau du centre plateau Yantala. Tout ceci témoigne que l'éducation fait partie des priorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la preuve de ces examens du certificat d'études du premier degré, du certificat d'études primaires élémentaires franco-arabe et de l'admission en classe de 6e des collèges d'enseignement général session de juin 2024 se tiennent normalement sur toute l'étendue du territoire national malgré leur suspension depuis 2013. Il s'agit à travers cette visite pour le préfet du département d'Arlit, le commandant Mustafa Ousmane, de constater, de viser la situation qui prévaut sur les lits où un des trous d'aération de l'ancienne mine souterraine de Communac s'est affaissé. Rappelons que la Communac, pour son exploitation, a foncé 312 trous d'aération qui servent d'entrée et de sortie d'air à polier. Le bouchage de ces trous a été réalisé en 2011. Pour le cas du trou 211, qui s'est affaissé dans la semaine. C'est toute la colonne du trou là qui est descendue jusqu'à 225 mètres. Le trou, à l'origine, il avait une profondeur de 232 mètres. Il a été bouché en 2011, donc 13 ans de cela. Au cours du bouchage, on ne sait pas si exactement c'est le, le mode opératoire qui a été appliqué ou pas, mais nous avons constaté un avancement en tout cas d'une grande envergure, jusqu'à 225 mètres. Immédiatement après l'événement, après l'incident, la commune a, isolé la zone, a balisé la zone pour interdire l'accès. Donc le trou était déjà mis sous surveillance avant notre arrivée. Quand on est arrivé, ils ont largué le gros bloc jusqu'à 120 mètres cubes, 12 voyages de camion de 10 mètres cubes. Nous avons dit, bon, comme déjà ce trou-là a montré ses, ses faiblesses, on ne va pas se limiter à ces 120 mètres cubes comme on a mis initialement. Il faut cette fois-ci augmenter le volume de ces gros blocs pour euh, bien préparer la base du trou. Nous avons recommandé d'aller jusqu'à 180, voire 200 mètres cubes de gros blocs. Ensuite, préparer du remblai cimenté, cette fois-ci avec un fort dosage, de dépasser largement les 12% pour qu'il y ait une bonne prise dans la colonne du trou. Il y a à, la fin, combler les vides à l'aide de la de TGA et reconstituer le don. En ce qui concerne le trou 211 qui s'est affaissé, les travaux de reprise sont actuellement en cours pour corriger la faille. La région de Difa compte pour la présente session 26 centres pour 8406 candidats, toutes catégories confondues, appelés à subir les épreuves écrites du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD et du CEPE franco-araba. Le centre de l'école normale d'instituteurs composé des candidats au compte de l'enseignement traditionnel et du franco-arabe a servi de cadre au lancement de ces examens au titre de la région de Difa. Une occasion pour le gouverneur de la région de Difa qui était en compagnie des autorités administratives et communales et des cadres régionaux en charge de l'enseignement tout cycle confondu de rappeler aux candidats toute l'importance de ces examens et le sens qui doit les guider dans le traitement des différentes épreuves qui leur seront administrées. Donc nous sommes venus ce matin pour vous euh, souhaiter bonne chance, vous encourager, hein, dire combien c'est important pour vous-même et pour le pays de passer cet examen. Parce que c'est le début des études. Hein, une fois que vous réussissez cet examen, vous allez rentrer au collège et vous allez poursuivre vos études. Le pays vous attend. Les parents qui vous ont envoyé à l'école, et ceux-ci, ils espèrent que vous travaillez bien, que vous réussissez. Donc vous n'avez pas le droit de, se voir. Hein? ni vos parents, ni le pays. Un message apparemment bien perçu par l'ensemble des candidats qui d'ailleurs affiche déjà une certaine sérénité face à la première épreuve qu'est la rédaction. En somme, dans la série de visites effectuées à cette occasion au niveau du centre de l'école Dubaï et de l'école primaire Boukari Sabo, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma, s'est dit réconforté du constat au regard des dispositions prises au plan matériel et technique afin d'assurer le bon déroulement de ces examens au niveau de la région de Difa. Évaluer le niveau des élèves en fin des études primaires, assurer une transition efficace vers les études secondaires en minimisant les taux de renvoi des élèves de 6e et 5e du collège, tels sont les objectifs visés par les autorités du CNSP à travers la réinstallation de ces examens du certificat d'études du premier degré CFEPD, examen qui débute à Maradi sous des meilleurs auspices, moral haut et espoir grand chez les 102 306 candidats, dont 48 642 filles qui ont entamé ces examens avec la rédaction. En ouvrant l'enveloppe contenant cette épreuve, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Essof Maman, a transmis aux candidats les messages du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État. Conseil de papa, 1. Il faut lire le sujet plusieurs fois pour le comprendre. 2 en répondant, il faut écrire correctement. Trois, il faut éviter de regarder chez le voisin ou de vouloir ouvrir un cahier. Au Niger, là, aujourd'hui, on ne veut pas de tricheur. Le président du CNSP, le général Abdelhaman Chani, m'a dit, je vous dire bonne chance. Ces candidats composent dans 323 centres, 2122 salles d'examen et 65 jurys que contre la région de Maradi a confié le directeur régional de l'éducation nationale Haruna Amadou. C'est l'école mission primaire de Tawa qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites du certificat de fin du premier degré CFEP2 session 2024, suspendu depuis plus de 12 ans et aujourd'hui restauré par les autorités du CNSP pour redorer le blason de l'école nigérienne. Ils sont au total 73 120 candidats, dont 31 656 filles, répartis dans 242 centres sur l'ensemble de la région de Tawa, qui affronte depuis ce lundi 24 juin 2024 les épreuves écrites du CFPD sur le gouvernement de la région d'Ottawa en présence de ses proches collaborateurs civils et militaires, des membres de la commission régionale de supervision, des responsables de région de l'éducation et le colonel-major Omar Tawai a procédé à l'ouverture de la première enveloppe scellée contenant les épreuves écrites de la rédaction, occasion mise à profit par le gouvernement de la région d'Ottawa pour s'adresser à l'endroit des candidats en ce terme. Le niveau a totalement baissé. Donc on a décidé de rehausser le niveau. Et c'est pour rehausser ce niveau qu'on a décidé de ramener l'examen du CFEPD. Cette fois-ci, sachez que cet examen-là, c'est ça qui va vous permettre d'aller au CEJ. Donc je vous demande de faire un bon travail et vous avez les encouragements donc, des plus hautes autorités qui ont décidé de ramener cet examen-là. Pour la présidente du jury 2, on se félicite de la bonne organisation de cet examen. C'est un examen qui est très bien organisé. Donc vraiment, nous remercions les autorités donc, pour vraiment le retour de cet examen et aussi pour l'organisation, vraiment qui est une réussite. Pour la salle ville d'Ottawa, ils sont au total 7192 candidats, dont 3.580 filles réparties dans 19 centres qui affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du CEPD sur ce 2024, prévues pour deux jours. Les élèves en fin de cycle primaire traditionnel et franco-arabe renouent avec les examens en vue de l'obtention de leur premier diplôme après plus de dix ans d'interruption. Les candidats au titre de la région de Tillabéri ont entamé ce matin les épreuves de la session 2024 par la rédaction. C'est en compagnie d'une forte délégation que le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Mene Boukara, a effectué le déplacement de l'école des filles, un des centres où se déroulent ces épreuves. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, il a situé toute l'importance de ces examens. Peu avant l'ouverture de la première enveloppe scellée à la CIR, le premier responsable de la région a prodigué des conseils aux candidats. Comptez sur vos propres efforts. Surtout prenez le temps nécessaire pour lire et comprendre le sujet avant d'entamer la rédaction. Donc soyez calme et très vigilant pour éviter les hors-sujets. Le pays compte sur vous. Nous souhaitons à vous tous bonne chance. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces épreuves, a rassuré le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales de Tilabéry, Arima Chegou. Pour la région de Tilabéry, disons que malgré les conditions sécuritaires, nous avons connu une année vraiment stable et nous avons aussi vraiment créé les conditions de manière à ce que, ce moment précis, l'ensemble des centres puissent fonctionner. Ce sont cette année 44 483 candidats, dont 23 382 filles réparties dans 150 centres, dont 131 pour le traditionnel et 19 pour le franco-arabe et 47 jurys, dont 41 pour le traditionnel et 6 pour le franco-arabe, au titre de la région de Tilabéry.

268 centres à se présenter aux examens du certificat du fin d'études du premier degré et du certificat d'études primaire élémentaires. Tôt ce matin, le gouverneur de la région des Indes, le colonel Issouf Labo, accompagne une forte délégation, se rendit à l'école Charé 1 pour le lancement de ces examens. Mettez tout le sérieux, tout ce que vous avez appris du CI au CM2 et particulièrement cette année, mettez-le en contribution pour bien tenir cet examen et sortir admis pour pouvoir accéder en classe de 6e. Éviter des tricheries, ce n'est pas bon. Que chacun et chacune compte sur ses propres forces. C'est des choses que vous avez étudiées. Prenez le temps de réfléchir avant de commencer. Et je suis sûr que chacun et chacune de vous pourra s'en sortir. Sur ce, nous allons vous souhaiter bonne chance pour le bon déroulement de ces examens qui dureront deux jours, notons la présence des superviseurs nationaux qui sont Lawal Abdelbaki et Madame Abdraman Adama. Au total, 12 233 candidats, dont 6 137 filles et 6 096 garçons, passent les examens de CFPD dans la région d'Agadez une région qui compte 46 centres, dont 21 centres de la commune urbaine d'Agadez. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nous avons rompu avec le CFPD et nous avons vu les conséquences désastreuses que cela a causé, en tout cas sur notre système éducatif. Dieu merci, les plus hautes autorités de notre pays, notamment le CNSP, ont compris que pour relever le défi de la refondation de l'école, il faut ramener. Et c'est Dieu merci aujourd'hui, nous venons de faire le lancement. Nous appelons donc tous ceux qui sont impliqués dans ces examens pour que le souhait de plus hautes autorités de notre pays soit respecté, c'est-à-dire des examens propres, des examens qui ne sont pas entachés d'irrégularité, encore moins de fraude. Après l'ouverture de l'enveloppe scellée à la cire contenant la première épreuve de rédaction, le secrétaire général du gouvernement Gadez a souhaité bonne chance aux candidats. Nous avons retrouvé les jeunes gens très calmes. Nous avons profité pour leur prodiguer quelques conseils. C'est des examens comme tous les autres. Il faut que chacun s'applique et respecte les règlements intérieurs, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, réussir et toutes les dispositions sont prises en amont, les ressources humaines, la sécurité, n'est-ce pas, pour les biens, en tout cas, de ces examens. Pour leur part, l'administrateur de la commune urbaine d'Agadez, le chef de bataille, Mustafa Saïd et les représentants des parents d'élèves ont tour à tour imploré les Tout-Puissants, les Cléments et les Miséricordieux pour que la région d'Agadez enregistre le meilleur taux de réussite au sortir de ces examens. Le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, Halil Azizou, accompagne pour la circonstance les responsables académiques de la région, des forces de défense et de sécurité ainsi que des parents d'élèves, est allé tôt ce matin au groupement d'école Latanda de Dosso pour encourager les élèves aux examens du CFEPD, session de juin 2024, avant de se transporter à l'école franco-arabe Tondobon pour ouvrir l'enveloppe contenant le preuve de rédaction, où il est demandé aux candidats de raconter une scène de mariage où ils ont assisté, une preuve très abordable pour les différents candidats, surtout en période normale. Le secrétaire général adjoint de la région de dessous a exhorté les différents candidats lire attentivement le sujet, le comprendre avant de le traiter. Il a également rendu un vibrant hommage aux acteurs de l'éducation pour le retour des examens du CFEPD. Nous avons cette année 56 507 candidats euh, qui sont répartis dans 180 centres dans toute la région. Nous sommes venus encourager les élèves parce que, vous le savez, ça fait 11 ans que notre pays n'organisait plus euh, cet examen. Mais cette année, les autorités ont décidé de ramener cet examen-là pour, en tout cas, davantage donner de la qualité à notre système éducatif. nous remercions euh, l'ensemble des acteurs de l'école qui ont permis d'avoir une année tout à fait calme et avec euh, le courage et la détermination de nos autorités nationales, l'année s'est très bien passée. Et concernant les examens, vous avez constaté de vous-même le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ces examens se passent dans les bonnes conditions. Ces examens du CFEPD dureront deux jours et aucune difficulté de nature à entraver leur bon déroulement n'a été signalée sur toute l'étendue du territoire de la région de Dosso.